viol aujourd'hui on parle de deux vies humaines ak nu aujourd'hui il y a deux vies humaines qui sont en jeu Oui, Ousmane Sonko ak cette dame là. ils sont en jeu. non dama ne. on parle de deux vies humaines. qui sont en jeu affaire viol. non qui sont en jeu. c'est-à-dire arrête de prendre mes mots et dis-moi ma ko di ma ko sànni c'est-à-dire dama bëgg nga déglu ma dama on parle de dama ne. dama parce que. puisque yow. wax non on parle de deux vies humaines que vous le vouliez ou non aujourd'hui on parle de la vie de Ousmane Sonko man mosuma toog xalaat ne dinañ dama dama dañ un toog xalaat ne dinañ toog ci plateau ñuy wax Ousmane Sonko di wax viol la fille là quoi quoi qu'il puisse se passer cette fille là c'est une victime bu dee dañ koy manipuler c'est une victime bu dee li wax c'est une victime c'est une jeune fille c'est une victime donc man su ma nekkee quand j'aborde les questions de viol c'est des questions sensibles c'est difficile mais bu nekkoon bu nekkoon question de finance ak yooyu sans pour autant les banaliser mais euh, mun ñu ci mais aujourd'hui ni xamuñu c'est entre c'est entre c'est entouré d'un voile de secret voilà secret bi pour nous il y a pas de secret pour nous c'est clair xam nga sànq bi nga waxee ne euh, dama la wax ne violer de façon répétitive nga ne mën na fragile mané ko mané la may mun a gis victime viol moy tout des années après. j'ai jamais vu. merci beaucoup Moi, t'as j'ai jamais vu une euh, une victime de viol Je ne sais non relater. mais je ne la de façon répétitive fragilité l'intimité de de de qui? comment ça s'appelle de de la confidence d'une personne qu'on a violée sa sensibilité viol. man mi ci xam ay nit foog naa ne yow mi nekk jigéen man maa la ko gën a xam fuuf fuuf parce que change bi ma ci am amuloo ko ci ma ci doon tane mooy bu fekkoon ne dans ta vie viola nañu la visiblement c' est pas le cas. non parce que non parce que ñaari hypothèse ñoo am soit nga mos ko dund. Voilà, qui compte le wax wax ko yow. Non, tu peux pas dire ça. Non, mais depuis tout à l'heure, tu parles d'une potentielle relation sexuelle de Ousmane Sonko avec une fille depuis tout à l'heure. Non, non, non, non, non, non. Non, mais si. Non, non, non, non, non, non. Kon man boo may wax sensibilité viol man mi ci xam ay nit foog naa ne yow mi nekk jigéen man maa la ko fouf, fouf, xam fouf parce que chance mi c'est ci am Tu ko tu ma ci moi, je fais qu'on est dans ta vie violé là. la visiblement n'est pas le cas. comment tu peux.